Parce que ces terrains qui ont été cités, c'est à valeur de milliards. On te parle même de 13 milliards, de 10 milliards. Les terrains yu mel nous ne en fait soyons un peu raisonnable quand même

ouais mais loolu la Ousmane Sonko wax. Hmm. dinañu fexe ba récupérer suuf soosu delloo ko seen borom. c'est ça la réalité mënuñu bàyyi ci jamono Macky Sall ci l'ancien régime ñuy nangu jaay doole ay nit di nangu seen suuf di ko jox ay ay borom daraja di ko jox ay borom xaalis. Hmm. l'affaire Ndengler ci ci régime kan la amoon ci régime Macky Sall. Hmm. yow homme d'affaires boobu ñu cité woon ci l'affaire de Ndengler. Diomaye était là-bas même pour servir comme médiation. Aujourd'hui, il est président de la République. Donc, il faut régler cette affaire-là. Nous avons ay terrain jambour, souf jambour, diko jox ay borom dara ja. Au nom de quoi Parce que ay milliardaires lañu, parce a des hommes d'affaires lañu. Mm. Au nom de quoi Donc ces questions-là war nañ ko régler. Ba paré apporter des solutions parce que li mënul wëy. Mënul continuer. Mënul continuer motal c'est seen laaw foofu laa fekkee Ousmane Sonko kérok ba muy taxaw dina am ñun ñu nangu sen souf ñom état dina ko récupérer delloo len sen souf mm. c'est une décision à saluer. Mm. donc ma ngi leen di inviter buñu buñu buñu ñu and nañu continuer ci lolu buñu ñu buñu bu il faut que ñu récupérer lolu souf soosu delloo ko sen borom. alors c'est clair euh Arfan ñu dem fofu si daanu li nga xam ne moo di euh, tribunal bi euh ben information nak euh, wàcc na fa exactement li tam du côté de la régie. Euh, Tafa euh, euh, procureur sàkku si ki n'a xam ne que moo di euh, Adama Gaye six mois de prison ferme loolu mooy réquisitoire exactement qui n'a xam ne que le procureur euh, procureur yem si euh, tegal na ko si li nga xam nous y reviendrons tout à l'heure exactement de l'amende bi nga xam ne itam procureur daal di sàkku ñu daal koy daan ki nga xam ne moo Adama Gaye mais avant les 6 mois dem aussi 6 mois euh, le def réquisitoire contre ki nga xam ne moo di Moustapha Diakhaté mm-hmm. yow miy jàppale dinañ ko libéré yëf mi bëgg li nga xam ne moo quand même dégénéré quand même ouais mais man mako japp mm. mais man duma justice. <laughs> dama né man je pense que mais justice mon méthode bu muy doxee c'est pas la même méthode avec Arfan. ta justice libéré mais c'est comme ça. mais ñom ñoo def xam nga ñoom la flagrant délit la. Hmm. ñom ñoo wax ñu japp len il faut assumer aussi comme ni mako waxé waxee ci Moustapha ou wala ci Cheikh Thiam la même chose lay wax pour Adama Gueye il faut appliquer les décisions de justice et les respecter mais aussi ñakul Adama Gueye et ses avocats ils ont des voies de recours. Ils ont des voies de recours. Mmh. une six mois, ferme. Hmm. Mais il n'est pas dit que la décision, elle est définitive. Hmm. Il n'est pas dit que la condamnation, elle est définitive. Donc, Adam Gaye et ses avocats, ils ont des voies de recours. Vous faites que nous d'accord la condamnation, voilà euh, le jugement qui a été fait. Ils ont pour nous recours au niveau hmm. de la cour d'appel. Hmm. mais comme ça euh, mais lol, réquisitoire procureur là mais ni ni nous xool exactement li nga pas mais le euh, euh, la procureur. réquisitoire li procureur peut-être sûrement procureur porter à charge comme à décharge mën charger ton dossier au sein de sa plaidoirie procureur mën l'a charger comme mën l'a la décharger. Mm. il est dans son rôle. Mm. le procureur est dans est dans son rôle. Mm. donc tey bu charger Adama Gay. il n'est pas dit que le juge qui va rendre la décision finale il va respecter sa plaidoirie. il n'est pas dit ça. donc loolu mbir non la yaga a doxee procureur dafay def plaidoirie yëpp porter à charge comme à décharge contre un un individu ou bien une personne, mais aussi la justice est rendue autrement. La justice est rendue autrement. Et surtout au nom du peuple. Hmm. Au nom du peuple. Hmm. Donc, procureur, il est dans son rôle. Il est dans son rôle. Maintenant, on attend la décision finale. faut vous la comprendre. Alors, on, on attend la, euh, décision finale. la décision finale. Voilà, il n'est pas dit que juge bi bu muy rendre euh, verdict comme dafay basé où ci la plaidoirie du procureur. du procureur déedéet il n'est pas dit ça. mais avant très rare euh, ñu vous euh, six mois yoo juge libéré. il n'est pas obligé. su nekkoon peut-être deux mois juge après mon libéré mais procureur su la li il n'a ne que mourir. di six mois xel mën na li nga xam que justement peut-être ici si emprisonnement éventuel bu Adama Gaye ouais mais xam faut... Fallou wax parce que mi dit deux mois après lu libéré deux mois ça dal na xel mais six mois Arfan a dit c'est ouais mais c'est ça Damane, ne plaidoirie procureur moi plaidoirie am la il est dans son rôle mm. Fallou Lola laa jógee wax ni mm. mais le le juge qui va rendre la décision finale n'est pas obligé mm de, respecter le, le du procureur. il n'est pas obligé. Donc, c'est tellement facile. Alors, mais non, nous euh, exactement la décision du juge. Nous avons dit que Adam Gaye, donc aujourd'hui, il a comparu libre, tribunal de Boutakar. Alors, euh, manifesté ba tey sen émission le truc de euh, matinal ginaaw lolu euh, mbiru ki nga xamné ko modi di ak rebondissement yi nga xamné tam itam mu dina amani ala dans sens par rapport ak ci ci mois yi nga xam ne itam procureur mu koy daal di sàkku arfan dañuy daal di tout de suite si li nga xamné ne que moo di benn mbir assemblée nationale ki nga xamné ne que moo le président Bassirou Diomaye Diakhar fay woote na li nga xamné ne que moo ndaje mi manam installation député yi jàpp nañ ko ni ki li nga xamné ne que moo 2 euh, décembre 2024 euh, mais avant ñu gis ci dafa am concrètement c'est un am lan moo koy fait. wala comme dañoo bëgg a budget bi euh, la fin de l'année, exactement exactement fond bon c'est Serigne Fallou donc wax nga ko sànq mais man pour ma ni que la parce que nee an, la président annoncé woon a ko fii on va vers comment dire une décision précipitée mooy maanaam. Euh, urgence là, parce que on doit voter un budget, hein, donc euh, Nous procéder à, à, à donc euh, de, de comment des installations donc des députés. Mon comme euh, président de la République, moi fixé la date dit la date dit hein, 2 donc donne leur amana ñu dañ ko xaar mm. euh, à quand est-ce qu'il il va fixer la date euh, de l'installation des nouveaux députés on attend l'officialisation donc des résultats euh, par le conseil constitutionnel. le conseil constitutionnel donc mm. donc il a dit résultat officiel des élections législatives anticipées de 2024. Donc, répartition des sièges. Euh, les résultats officiels définitifs, donc euh, validé par le Conseil constitutionnel, confirme la large domination du parti PASTEF, donc qui obtient la majorité absolue à l'Assemblée nationale. La répartition donc des sièges est, est suivante, comme on le dit. PASTEF a 130 députés, donc désormais. La coalition Taku Walou Sénégal, 16 sièges. La coalition Djamak Ngering, 7 sièges la coalition Sam Sakadou, trois sièges. Donc euh, la coalition Andenaoulé, deux sièges. La coalition donc euh, Sénégal Kessé, un seul siège. Coalition euh, Kirai Ak donc un seul siège. La coalition Ande Kaloudi Ngir, un seul siège. Euh, la coalition Farlou Légui mu euh, euh, Bessal Sénégal un mm. siège la mm. coalition Farlou un siège Sopi Sénégal un siège donc les nationalistes <laughs> c'est là où j'ai terminé les nationalistes de Taïroussar,

C'est pour cela, le président veut Ascléré le 2 décembre. Mm, mm. On est au. On est Mais est-ce au... que Non, non, non, non, non. Moi, je suis là, le Jampol, il y a une urgence. Urgence, là. Parce que si vous avez une élection, élection anticipée, mm. c'est des élections anticipées. Okay. Donc, ministre, de y a un budget. Mm. mm. On a vu tous les secteurs d'activité, menacés de grève. Parce que quelque part, on n'a pas satisfait leur doléance. parce que dañuy est état continuité là, mm. Macky Sall signé un engagement bi ak ñoom. Macky Sall signé tel et tel autre engagement comme état continuité là, a xaar nañu les nouvelles autorités à peine sept mois 8 mois gisuñu donc euh, amélioration moi tax ñoom ñiy def préavis de grève. Mm. loolu pour bu mais qu'est-ce que vous voulez que le président de la République fasse. il va accélérer donc l'installation des, nouveaux députés pour que nous puissions voter le budget, hmm. le budget de 2025. Pour que nous puissions voter le budget de 2025. Les gens, nous voter le budget, parce que le ministre des, des économies, des économies et, et finances, d'ailleurs, nous fait un débat d'orientation budgétaire. Si nous avons fait le ministre nous défiler ministre Bougnon, ministre Bonnet, nous avons assemblé ensemble, nous la voter ce budget. L'on l'a demain. la 2025 bi di il faut que nous nous ñu parce qu'on n'a pas du temps fallu nous temps élection anticipée là bientôt ça sera 2025 dans 2025, ça hmm. il faut que le président nous accélérer yëf yi a alors c'est clair exactement comme le conseil constitutionnel a déjà hmm. donné la liste officielle je vais lire la hmm. répartition des sièges maintenant l'installation l'installation c'est alors le 2 inchallah voilà donc le 2 euh, inchallah de nous procéder à l'installation à donc euh, des nouveaux députés à l'Assemblée nationale pour la 15e la 15e législature. peut-être euh, ñu ne seul Ousmane Sonko agit à la présidence de l'Assemblée nationale. Il agit comment La seule Ousmane Sonko qui agit. Ousmane Sonko qui agit comment Pour la présidence de l'Assemblée nationale. Non, non. non. Ousmane Sonko, il demande de agir. Non, mais, <laughs> mais Ousmane Sonko, il n'a pas dit qu'il qu ira à l'Assemblée nationale. Ousmane Sonko était tête de liste. Il était la tête de liste de la coalition, du, parti PASTEF. Mm. Mais il n'est pas dit que la tête de liste est forcément. Non, non, je suis déterminé. Je suis déterminé. Je comme là qui n'est que le président de l'Assemblée nationale déterminé non mais oui c'est bien aussi parce qu'il est le président du PASTEF. Hmm. il est le président du parti. Diomaye n'est pas le président du parti PASTEF C'est Ousmane Sonko qui est le président du parti PASTEF. Et Ousmane Sonko m'a désigné une personne pour que pour sois que président de l'Assemblée nationale. C'est tout à fait le droit yow PASTEF ça pas nyom PASTEF nyoko wa. wax ils ont donné le libre choix à Osman Sonko de désigner la personne comme nous nous avons le libre choix à Osman Sonko de faire les listes de Pastef donc là-bas il n'y a pas un débat. voilà c'est ça. avez dit que dictature

est-ce que mën nga dem kenen wax feneen nga ne def baax na. Oh, merci xoolal le parti de le le parti de Khalifa Sall comment il s'appelle. taxaw Sénégal mais taxaw Sénégal jamono bi il vit pas bien. Hmm. jàmm amu fa. ñu ngi ci ay jafé jafé ñu ngi ci ay alors merci parce que d'autres voulaient être députés ils ne le sont pas Abambaï. Abambaï. alors merci il a claqué la porte. tu vois ce qu'il est en train de dire jamono bi ni Hmm, voilà c'est ça la réalité merci beaucoup Arfan jaajëf jaajëf nañ la bu baax a baax bàyyi nga daal tàggatoo vite fait ak l' de nos téléspectateurs di leen jaajëfal bu baax encore une fois c'est ànd bien ànd ak ñun si li nga xam ne moo 5 TV Sénégal alors Afan, Arfan euh, ñu dem ba demee incha allah. oui di la jaajëfal Serigne Fallou di jaajëfal sénégalais yi ñu doon seetaan partout ah. Hein. juma mu barakaatu le monde euh, Serigne Daara Serigne euh, kilifa diine ak kilifa Adaye. yi yëpp juma sénégalais yi ñu doon seetaan partout la régie fallu yow ñep ñep ñep ñuy doon ñu ngi maman Jacqueline euh, Troupe ñu ngi koy jaajeufal juma mubarak Ami Diallo Ami juma mubarak Sion donc euh, Moustapha euh, Moussa donc juma mubarak hein, donc depuis la diaspora Chimère Sen. ñu koy jaajeufal bu hein, donc di jaajeufal ñu melni depuis Abidjan hein, Abba Abba donc euh, Ababoukari du mm. mm. Li. Mm. donc nous avons koy bu baax Mustapha Moustapha Thiaw Moussa depuis Italie Ibrahima Thiam depuis Milan Ibrahima Souri Balde ñung koy Manka Ibrahima donc avons koy aussi ah, euh, Malcolm X donc Malcolm Fall ah, maintenant Malcolm X ñu ngi koy Fall sama xarit la di ko ziar bu baax. donc di ko ziar moom tamit xarit fàllu boobu. Demba Samoura ñu koy jaajëfal Serigne Dembo Cissé depuis Abidjan euh, Velingara, ñu ngi koy jaajëfal El Hadj Ousmane Fansou Bodian depuis Bignona radiyallahu anhu ñu ngi koy jaajëfal bu baax a donc euh, nuy naa ñëpp Xaadim Gaye ñu ngi koy jaajëfal bu baax Fatou Bodian depuis euh, Paris hein, Bakary Diémé ñu ngi koy jaajëfal donc Siga Faye ñu ngi koy jaajëfal aussi bu baax Marie Sambu, ñu ngi koy jaajëfal bu baax ah. donc euh, ñeneen ñi jotul bind seen tour aussi ñu nekkoon ci direct bi ñu leen di jaajëfal di leen souhaiter une excellente journée ah, à tout le monde donc d'ici là portez-vous bien ciao. alors merci beaucoup Alpha ñu lay jaajëfal bu baax a baax baax di jaajëfal aussi euh, l'ensemble de nos téléspectateurs et voilà ça n'est tout pour aujourd'hui merci beaucoup de l'avoir suivi mais également l'ensemble justement des équipes en régie et nos programmes se poursuivent à partir de 15 h je vous retrouve dans le midi info ce soir à partir de 20h euh, dans le Jokolante nos programmes se poursuivent enfin tey sama yaram tey dafa xaw fasu tay tay mom tay mo dama mala tay ma leni djeglu euh, bax baax baax qualité li nga xam ne du voix bi euh, donc di len ñaanal àjjum mu baax ak fii di len jajeufal on se donne rendez-vous lundi incha allah si li nga xam ne que mu et nos programmes se poursuivent la rédivision dañoo ko amaat dès demain incha à partir de 11h.